Gloire à Dieu. Vous êtes tous les bienvenus à la première euh, étude biblique, à ce premier lundi de l'an 2023 au nom de Jésus-Christ. Quoique j'avais certaines têtes hier, voici un nouveau jour, une euh, bonne heureuse année à tous. Je dis bonne heureuse année à tous. Gloire à Dieu. Êtes-vous heureux Et lorsque une personne attristée, angoissée, et quand on le dit heureuse année, et lui aussi dit heureuse année. Mais si tu es content de ce que le Seigneur fait, tu es heureux en toi, de ce que Dieu fait, ce qu'il fera dans cette année et, cette joie demeure en toi, dans ton âme, dans ton cœur. Quand le mot heureux sort, la réponse sera heureuse année. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions pour l'étude biblique de ce soir. Merci pour le voyage, le nouveau voyage que tu nous fais prendre. Merci pour ta parole qui apporte tout ce dont on a besoin dans la vie quelque chose de spirituel, de physique, de naturel, de professionnel. Nous prions Seigneur que cette année soit réellement une année heureuse, sainte, d'espoir pour tout le monde au nom de Jésus-Christ. Je prie Seigneur que ta parole fasse des merveilles dans chaque vie. Nous allons recevoir la parole, nous allons l'embrasser, nous allons croire à la parole et nous allons agir selon la parole et grandes seront tes bénédictions dans notre vie cette année, ici au nom de Jésus-Christ ici au siège et dans toutes les églises, ou aussi au pays, dans ce pays, dans en Afrique, au Nigeria, partout sur la planète. Bénis tout le monde de façon spéciale dès ce jour jusqu'à la fin de l'année au nom de Jésus-Christ. Commence avec nous, Seigneur. Enseigne-nous ta parole. Révèle ta pensée et nous prions que les bénédictions de la parole soient répandues sur toute vie, même ce soir. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez-vous. Nous allons à Daniel chapitre 1. Daniel 1, je lis le verset 1 prière, ouvrez votre Bible. Daniel 1, verset 1. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Verset 2. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar euh, emporta les ustensiles au pays de Chinéa, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le verset 3 nous dit, le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble verset 4 nous dit, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres, et la langue des Chaldéens. Le verset 5. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant trois années au bout desquelles ils seraient au service du roi. Verset 6. Il y avait parmi eux d'entre les enfants de Judas, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le verset 7 maintenant dit, Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Berthatsa, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Verset 8 dit, Daniel résolu de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Comme nous voyons ceci, nous commençons la nouvelle année avec ce que nous appelons ici appelé, choisi et fidèle Que cette année, comme nous commençons euh, l'année, nous voyons comment le Seigneur nous a appelés. nous a appelés à la repentance, au salut. Il nous a appelés à la sanctification. nous a appelés à la sainteté. nous a appelés au service. Donc nous parlons maintenant de ceux qui sont appelés. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus euh, il y a ceux qui sont appelés et qui ont répondu à l'appel de Dieu. Le Seigneur les a choisis. Ils sont devenus le trésor choisi de Dieu, le peuple particulier acquis de Dieu, parce qu'ils ont répondu à l'appel de Dieu. Numéro 1, appelé 2, choisi et fidèle. Alors, une, c'est une autre chose d'être, une chose d'être appelé. Ce n'est pas tous ceux qui sont appelés qui ont répondu. Ce n'est pas tous ceux qui sont choisis, qui sont fidèles bout. Mais que c'est merveilleux que, que tu sois appelé et choisi et fidèle dans cette nouvelle année, dès le commencement de cette nouvelle année, jusqu'à tu avances jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, et que les bénédictions de ceux qui sont appelés, celles de ceux qui sont choisis, et les bénédictions de ceux qui sont fidèles seront dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Le message est divisé en trois parties premier point, la captivité et le défi du peuple. Le peuple d'Israël, le peuple de Juda avait un défi. Le défi, c'est que ne vivaient pas dans la bonté de Dieu, Ils ne vivaient pas dans les provisions de l'alliance du Seigneur. Donc, ils sont emportés en captivité. Deuxième point, le caractère des personnes choisies au sein de la pollution oui, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, et étaient certains euh, de ceux qui ont été emportés en captivité à la première déportation. Ils étaient déportés et emportés de leur pays et ils ont été en, emmenés à Babylone de bonnes personnes, des saints de Dieu, des gens fidèles de Dieu. Cependant, ils ont été emportés en captivité Ouais, ils n'auraient pas compris. Ouais, ils n'auraient pas compris pourquoi. Mais en lisant le livre de, de, de Daniel, de Jérémie, on va comprendre pourquoi Dieu a fait cela. Le Seigneur veut que Daniel soit un prophète aux païens et aux juifs. Si Daniel est resté dans son pays, seulement à Juda, oui, il serait un prophète seulement à Judas, à Jérusalem, mais non à Babylone. Il devait être un prophète de Dieu qui devait interpréter la révélation de Dieu à ce roi-là et à son fils, et il va aussi montrer les prophéties aux enfants euh, d'Israël, soit 10 ans, sont déterminés sur ton peuple, que euh, si, sans qu'ils soient emportés, ces choses sont arrivées. Sadrach, Messach et Abednego, sans la déportation, sans qu'ils soient ôtés de leur pays, à Babylone, où on n'aurait pas su qu'il est possible d'accomplir littéralement la prophétie d'Isaïe que quand tu marches dans le feu, que quand tu traverses euh, dans les eaux, quand tu marches dans les eaux, et tu ne seras pas submergé. Quand tu marches dans le feu, tu ne te, tu, ne, tu ne, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Mais ces gens ont traversé la, la fournaise ardente, la persécution euh, ardente n'a pas pu les brûler Quoi que vous ne sachiez pas pourquoi vous traversez ceci et cela, ils sont pécheurs. Et Daniel pourrait dire que Sadrach et Messach et Abednego pourrait dire que tous ces gens eh, sont pécheurs. Pourquoi les saints ont la même portion que les pécheurs, quoi que tu ne comprennes pas cette année, quel soit ce que tu comprends, ce que tu ne comprends pas, il faut demeurer appelé, choisi et fidèle au Seigneur. Et à la fin, du voyage, le Seigneur te montrera pourquoi. Nous, nous saurons pourquoi. Je saurai pourquoi. troisième point ici, le courage et de conviction avec la pureté délibérée. Le courage de conviction. Voyez, il y a déjà ici sur terre, ils n'ont pas de conviction. Eh, ils vont à la synagogue, au sanctuaire, ils vont au temple, ils vont aux assemblées, ils vont à l'église. Ils adorent à tout moment, ils vont à Jérusalem, ils vont au temple là-bas, ils vont à tous les lieux variés, mais ils n'ont pas de conviction. On ne peut pas dire si quelqu'un a la conviction jusqu'à ce que quelque chose soit arrivé. Quelqu'un peut N'importe qui peut dire que je sais le Seigneur, je suis le Seigneur, je vais le suivre jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'un problème arrive et maintenant tu te vois dans la situation et tu as un défi. Alors c'est le ton courage là qui va montrer ce qu'est ta conviction, c'est ta détermination, c'est ta décision, c'est ta diligence, c'est ta fidélité, c'est ton obéissance à la parole de Dieu qui va montrer que réellement tu as la conviction si tu n'as pas la conviction, lorsque le vent souffle, cela va t'emporter à la direction, à la direction de la majorité du gens. Mais la façon dont ils vont vivre, telle tu vas vivre, la façon dont ils parlent, telle tu vas vivre, la façon qu'ils agissent, telle tu vas agir, parce que tu n'as pas de conviction. Après, tu... Mais lorsque quelqu'un a la conviction que papa soit là ou maman soit là, que le pasteur soit là ou pas, que le prêtre soit là ou pas, que les gens te supportent ou non, s'il y a quelqu'un pour t'encourager, pour te prodiguer des conseils ou pas, tu sais que voici la conviction que j'ai. Et dans le cas de Daniel, il n'y avait pas de pasteur, il n'y avait pas de sacrificateur, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de conseiller, il n'y a personne qui puisse l'encourager, pour qui puisse l'aider. Mais il a résolu, il a décidé. C'est un cœur converti. Alors c'est un cœur convaincu, un, cœur qui sait que, quelque que soit ce qui arrive, oui, je ne comprends pas ceci, je comprends ceci, mais je viens, je me trouve dans cette situation parce qu'il avait la conviction. C'est dire que Daniel résolu de ne pas que lui, lui, quel que soit ce que font les autres, ce que les autres disent, quel que soit le conseil des autres, Daniel résolu de ne pas se, se, lui, se souiller par les mains du roi et pas le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se suivre. On voit le courage de conviction avec la pureté délibérée. Allons au premier point. Le premier point, nous avons la captivité et le défi du peuple. Euh, ceci est divisé en trois parties. Voilà le premier sous-thème. La captivité prédite du peuple infidèle. 2. La condition perplexe d'une période imprévue. Ils n'ont pas prévu la situation-là, que Dieu pouvait, pouvait leur faire ceci. C'est une période imprévue. Et trois, La conséquence pénible d'un passé non fixé, non réglé. Un passé non établi devant le Seigneur. Allons, voyons la première partie ici, qui est la captivité prédite du peuple infidèle. Judas ne doit pas prétendre ne pas savoir que ceci arrive. Voyons, Jérémie 29, Jérémie, Jérémie 29, 9, Jérémie 29, 9, car c'est le mensonge qui vous prophétise en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Il y a des gens qui disaient, au peuple de Juda, il n'y a pas de problème. Dieu est ton bon Dieu, que mon Dieu n'est pas dur, mon Dieu n'est pas euh, difficile, mon Dieu n'est pas rigoureux, rigoureux. Dieu est amour. Donc les prophètes disaient au peuple de Juda, au, peuple de Jérusalem, au peuple d'Israël. Mais Jérusalem a dit que, mais Jérémie a dit On ne vous dit pas la vérité, car Dieu est un Dieu saint, c'est un Dieu de justice, Dieu est un Dieu de jugement. Le verset 10 dit ici, mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, Jérémie leur disait que vous serez emportés à Babylone, il y aura la captivité. Et dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Et le verset 14 dit ici, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Judas, la captivité vient. Judas, tu seras, tu deviendras le captif dans le gouffre des Babyloniens, dans le cache des Babyloniens. Et je me laisse réfléchir je me laisserai retrouver par vous, dit l'Éternel, et je, et je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Le, Seigneur dit que ce n'est pas le pouvoir de Nebuchadnezzar euh, qui soit en mesure de vous faire ôter de Juda vous amener à Babylone, que c'est moi, Dieu le dit, que c'est moi, que c'est moi, que je vous ai chassés. Ils étaient encore dans leur pays. Le Seigneur a dit que c'est fait. Il faut l'accepter que c'est fait. Juda tu iras en captivité et dit que c'est après 70 ans que, que, que je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Cependant, vous dites, Dieu Seigneur a dit que oui, c'est moi qui vous emmènera là-bas. Si vous avez appris votre leçon, si vous tournez vers le Seigneur de toute votre, de toute votre âme, de tout votre cœur, si vous ne si vous ne dites pas que cette captivité de Babylone, oui, n'est pas un jeu d'enfant, si vous allez revenir que ce que vous devez faire et vous n'avez pas fait, là tu dois être et tu n'es pas là. Et la loyauté que tu dois avoir, et l'amour que tu dois avoir, la fidélité que tu dois avoir, tu n'avais pas cela. Si tu peux te rappeler tout et tu te repens et tu renouvelles ta consécration, ton engagement à moi, donc je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller. Moi, moi, moi, je vous ai fait aller en captivité. Alors, c'est la prédiction de la captivité à cause de leur infidélité. Et aujourd'hui, alors qu'est-ce qui nous arrive Y a-t-il quelqu'un qui aille en captivité ce jour Il y a divers types de captivité. Voyons, Esaïe 5, Esaïe 5, 13, Esaïe chapitre 5, 13. C'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif. Vous voyez la captivité ne vient pas euh, du, du, hasard et de, du ciel. Oui, l'affliction ne se produit pas sans raison. Il y aura une raison que le peuple d'alliance de, de Dieu, les bonnes personnes de Dieu, le peuple chéri de Dieu, il y, a, une raison que ces gens soient allés en captivité. C'est pourquoi mon peuple sera soudain amené captif. Sa noblesse mourra de faim. Parce que ces gens n'ont pas la connaissance du salut. Ces gens n'ont pas la connaissance du caractère de Dieu. Ils n'ont pas la connaissance aussi des choses importantes dans le cœur de Dieu. Et la connaissance de suivre le Seigneur de façon fidèle. Ils n'ont pas cela. Je sais pourquoi ces gens n'ont pas la connaissance. Et sa noblesse mourra de faim. Et sa multitude sera desséchée par la soif même ça va même au-delà. Voilà le verset 14, 14 qui dit ici, c'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche. Le séjour des morts. Le séjour des morts n'espère pas beaucoup de pèlerins, beaucoup de personnes, beaucoup de candidats, mais parce que le peuple de Dieu manque la connaissance de la justice, la connaissance, la connaissance de la, de la pureté, des exigences, des décrets, des, du désir de Dieu, il emprunte la mauvaise voie. À cause de cela, ils sont emportés en captivité. C'était d'entre eux étaient morts en cap, dans la captivité, non seulement dans la captivité de Babylone, mais dans la captivité du péché et du mal. C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule, outre mesure alors descendent la magnificence et la richesse de Sion et sa foule bruyante et joyeuse. Alors c'était dommage pour eux. Voyons la deuxième partie ici qui dit la condition perplexe d'une période imprévue. voyez, ils n'ont jamais envisagé cela, qu'un tel temps pouvait, pourrait, arriver. Ils étaient perplexes, confus, comment je suis c'est euh, euh, euh, comment ceci leur était arrivé comme ça. Et Esaïe chapitre 22, 5, Esaïe 22, 5, car c'est un jour de trouble, d'écrasement et de confusion envoyé par le Seigneur l'Éternel des armées dans la vallée des visions. On démolit les, les murailles et les cris de détresse retentissent vers la montagne. Comme ces gens étaient, étaient abattus de captivité, ils étaient confus. Mais comment Dieu pouvait faire ceci comme ça Et Babylone est une nation très terrible. Et Nebuchadnezzar est un idolâtre, au fait. Il croyait que nous adorons encore le Seigneur, même si nous ne sommes pas parfaits, même si on ne fait pas bien, comment Dieu peut utiliser quelqu'un qui est pire que nous, de venir nous remplacer et d'élever la personne et que nous soyons sous ses plantes alors, et qu'ils nous foulent aux pieds. Alors, ils étaient perplexes, confus, parce qu'ils n'ont pas prévu, n'ont pas envisagé cette période que Dieu va utiliser un instrument pour renverser l'orgueil d'une nation qui est contre lui. Voyons, psaume 137, psaume 137, psaume, psaume 137, verset 3. Là, psaume 137, 3. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants. Vous voyez, il a chanté le sang du Seigneur. Je vais chanter de nouvelles, de nouvelles chansons au Seigneur. Lorsqu'ils étaient sortis de la mer rouge, ils chantaient des louanges au Seigneur. Dieu est grand, Dieu est glorieux. Lorsqu'ils ont vaincu en juge 4, 5, Déborah, Barak, 12 commençaient à chanter au Seigneur et lorsque Goliath était vaincu, écrasé, David avec les femmes ensemble chantait au Seigneur. Le christianisme est une religion de chansons. Et les juifs sont aussi des chantres. Ouais, Josaphat, il, a, dit là que le Seigneur est bon, il est bon à tout le monde et puis que louez l'Éternel, louez l'Éternel, bénissez son sein. Ils chantait en chantant, les ennemis maintenant étaient vaincus. Maintenant, ils étaient arrivés à un moment de perplexe. La chanson qu'ils ont chantée, qui a apporté la joie, qui a apporté l'allégresse, la chanson qui a amené l'élévation pour eux. Maintenant, l'ennemi, l'ennemi maintenant qui les a captivés, maintenant, leur demandait des chansons, des chants. Alors ceux qui nous ont vaincus et nous demandaient des chansons et nos oppresseurs de la joie, chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Verset 4. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère Ils étaient maintenant étrangers. Ils étaient étrangers à ce lieu de captivité, au fait, Nebuchadnezzar et les gens qui, les ont emportés en captivité. Il voudrait qu'il oublie Jérusalem, qu'il oublie Judas, qu'il oublie toutes ces chansons qu'il chantait au, au Créateur. Que nous allons vous enseigner nos chansons. Verset 5. Si je t'oublie, Jérusalem, c'est ce que les Babyloniens voudraient faire. Ils voudraient qu'il oublie Dieu, qu'il oublie Jérusalem, la, la ville euh, capitale, la cité euh, de Jérusalem, et maintenant dans un pays étranger. Il disait, si je t'oublie Jérusalem, que ma droite m'oublie. Verset 6. Que ma langue s'attache à mon palais. Si je ne me souviens de toi, si je ne me souviens de toi. Je ne vais plus chanter aucune autre chanson que ma langue s'attache à mon palais. C'est-à-dire qu'ils ont dit que et eh, s'ils n'allons pas chanter les chansons de, chant de Zion, d'autres chansons si nous n'allons pas parler de Jérusalem, le Saint Jérusalem, le Jérusalem heureux, le, Jérusalem d'en haut. Si on ne peut pas parler de Jérusalem et délibérément aller à la direction là, ne parlons plus à personne. Si, si on ne va pas parler de Jéhovah, si nous ne pouvons pas parler de sa bonté, de ses bénédictions, de son salut, si nous ne pouvons pas parler de sa puissance et de sa souveraineté, n'allons même pas parler d'aucune autre chose sur terre. Ils ont dit que si je ne, si je ne me souviens de toi, que ma langue s'attache à mon palais. Si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma vie. Oui, c'est ce qu'ils devaient faire lorsqu'ils étaient chez eux, lorsque tout allait bien, lorsqu'ils se, ils se réveillent le matin, on va dire que gloire à Dieu, c'est le Seigneur qui l'a fait pour nous. Lorsque Dieu les nourrissait, les habillait et, Dieu les protégeait, c'est ce qu'ils devaient faire au départ. ils devaient comprendre que la, cité du Dieu vivant devait être au-delà de leur joie. Alors ils devaient aussi comprendre que quand ils se, se rappellent Jérusalem, ils se souviennent de Dieu et à tout moment maintenant, ils sont perplexes. Je prie que la perplexité ne vous arrive pas. Parce que ce que vous devez faire, lorsque Dieu est favorable, lorsque les opportunités sont là, lorsque les bonnes choses sont là pour nous, ce que vous devez faire ce doit le faire, on doit le faire au lieu euh, de se laisser être euh, imprudent et que la captivité vienne. Et puis, on est perplexe dans un pays étranger où on ne peut pas chanter les chansons de Sion. Michée chapitre 7, Michée 7, 4, Michée 7, 4. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce, le plus droit pire qu'un buisson d'épines le jour annoncé par tes prophètes, ton châtiment approche. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. Lorsque, lorsqu'ils devaient être doux, ils sont très endurcis. Lorsqu'ils devaient être des secours, alors ils étaient des gens qui blessent. Lorsqu'ils devaient avoir, être, être pleins d'espoir, maintenant ils sont désespérés. Lorsqu'ils devaient suivre le Seigneur joyeusement, maintenant, ils étaient comme des ronces devant Dieu. Et à cause de cela, maintenant, alors, et ils, sont dans la confusion. Et nous qui vivons ici sur terre aujourd'hui, y a-t-il une confusion, une perplexité, une perplexité Voyons Luc 21. Luc 21. Et le Seigneur Jésus lui-même a dit Luc 21, 25. Le Seigneur Jésus a dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne seront que faire au bruit de la mer des flots. Il y a l'angoisse, c'est-à-dire la confusion. Euh, vous aurez appris, si vous êtes euh, quelqu'un qui aime la science, vous pourrez apprendre euh, la pollution de l'air, vous aurez appris comment ce monde ne, nous, ne, prend, pas soin de nous comme cela se doit. vous aurez compris que l'air que nous respirons aujourd'hui à cause de l'industrialisation, l'air n'est plus aussi pur que celui des centaines d'années. Oh, mais on respire cela. Vous aurez compris que même le fruit euh, de la terre euh, euh, n'est pas ce qu'il doit être. Parce que la terre perd sa fertilité. Et même ceux qui ne sont pas chrétiens, en étudiant les choses, ils ont dit que ils ne savent pas combien de temps il nous reste sur cette terre. Parce que la population du monde s'accroît et la terre n'est pas en mesure de soutenir tout le monde. Euh, déjà, les sages, les érudits de la terre sont perplexes et les saisons se multiplient et vous aurez, vous aurez pensé que plus on est civilisé, plus on fera des avances, des avancées et des avancements, des progrès et plus on serait bien portant. Dès qu'on va à Google, on y met quelque chose, oh, déjà on voit la solution. Aujourd'hui, et voyez, nous sommes plus malades dans le monde aujourd'hui, plus qu'à l'époque. Nous sommes perplexes. Les choses qui devaient, avoir, euh, doivent arriver au soleil, à la lune, et il y aura l'angoisse des, nations, royaume contre royaume, euh, nation contre royaume, et, et ce sera une confusion partout. Et le verset 26 qui dit que et les hommes rendant l'âme de terreur. Vous voyez, les gens qui ont la crise cardiaque et ils euh, meurent comme ça, les gens qui paraissent euh, très bien portants hier et ils font quelque chose et d'un seul coup, ces gens s'écroulent et meurent. Et cela arrive à un taux alarmant ce jour. Il y a des gens qui ont l'hypertension. L'hypertension est devenue euh, quelque chose de partout, ce qui, est, euh, ce qui eh, grand pas dans le monde entier, on dirait que c'est nous sommes qui question en Afrique, nous ne prenons pas soin de nous. C'est pourquoi oh, il y a les tensions. Mais allez partout, en Amérique, en Europe, et on a vu que oui, l'hypertension oui, est un tueur terrible, que ce soit l'Occident, l'Orient, le Nord, Le Sud. Oui, c'est là où nous sommes aujourd'hui. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux euh, la puissance des cieux, des galaxies seront ébranlées. Voyons la troisième, euh, euh, le troisième sous-thème ici, la conséquence pénible d'un passé non fixé. Pour le peuple de Juda, le Seigneur leur avait dit que, oui, que vous allez cultiver la terre six, six ans, et puis après, après vous allez donner le repos à, la terre. Et qui peut obéir cela Leurs, leurs parents ont obéi cela. Vous allez garder, vous allez ramasser la manne pour six jours. Si vous continuez de... Dieu veut que le, septième jour soit là un jour excepté, exempté. Alors, euh, si vous laissez jusqu'à cette jours, cela va apporter des verres. Alors, après six ans, de culture, la, la septième année, la terre doit se reposer. Alors, mais Dieu était patient avec eux. Pendant 10 ans, ils ont continué de cette manière. Et Dieu a dit que, oui, votre coupe est au comble, c'est assez. Le pécheur peut continuer de pécher, pécher. Un jour, Dieu va dire que, oui, ta coupe est au comble. Le pécheur peut continuer de se rebeller contre Dieu. Un jour, Dieu dit que c'est fini pour toi. Et puis, 400 90 ans, Dieu, Dieu a dit que vous pouvez seulement épargner un, une, un, an de 7. Et là, divisé tout. Et là, dit que oui, 490 ans divisé par, euh, divisé par 7. Et là, ils sont en 10 ans pour eux. Alors, c'est ce qui leur était arrivé. Alors, c'était une conséquence, une conséquence pénible d'un passé non fixé, non réglé. Et voyons, Jérémie Jérémie 2, 12. Jérémie 2, 12. Jérémie 2, 12. Cieux, soyez étonnés et de cela frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. 14, 13. Quand mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes, des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Ils ont essayé de remplacer la parole de Dieu par leurs idées et leurs opinions. Et le Seigneur a dit, mais oui, ce sont des citernes crevassées. Alors ce que vous faites, ça ne va pas perdurer. Je vous ai donné quelque chose de parfait. Je vous ai donné ma parole. Je vous ai donné ma volonté. Vous avez mis cela de côté et vous embrassez des citernes crevassées. Le verset 14 dit, Israël est-il un esclave acheté Je vous ai appelé fils, que je vous ai dit, laisse mon peuple partir. Maintenant, Israël est-il un esclave acheté ou né dans la maison Pourquoi donc devient-il une proie Le verset 17 dit, Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel Ce n'est pas ma faute. Moi, je vous aime, je veux que vous soyez mon fils euh, favori, ma nation favorite, euh, jusqu'à la fin du monde. Mais vous, mais vous, vous êtes attiré ceci. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel, ton Dieu, lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie Voilà le verset 19. Ta méchanceté te châtiera J'essayais de te corriger par la parole de bouche, mais cela ne te plaisait pas. Ton action, ton action, ton comportement, la conséquence de ton caractère, ta méchanceté te châtiera et ton infidélité, ton infidélité, ta rétrogradation, ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel, ton Dieu, et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Ecclésiaste 3, Ecclésiaste 3, 16. Il y a beaucoup de choses qui s'amassent dans le passé. On fait cela, Dieu se tait. On fait ceci, Dieu se tait. Et on continue. Et on, on est en train d'éprouver euh, oui, l'authenticité de la loi de Dieu, on est en train d'essayer la sincérité de Dieu que oui, j'ai fait cela, je l'ai vaincu, j'ai vaincu Dieu. Parce que lorsque j'ai fait ça, il y a d'autres personnes ont fait cela et puis se sont transférés cela. Et si Dieu va juger quelqu'un, Dieu va juger tout le monde. Maintenant, on le paralyse. Dieu ne peut plus faire ce qu'il a dit qu'il fera. Il ne sait pas que Dieu est patient ne voulant qu'aucun périsse, mais le jour de jugement viendra. Voyons ceci. Ecclesiastes 3, Ecclésiaste 3, euh, verset 15. Ce qui est, ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Et Dieu ramène ce qui est passé. Dieu dit que Israël, qu'est-ce que as dit Oui, le repos pour toi. Oui, il faut prendre le repos. Un jour, de sept jours, tu, te, tu prends un jour pour repos. Un an, de sept ans, tu prends un an pour te reposer. Mais vous voyez, même au mais il y a l'année sabbatique aussi à l'université. Oui, les professeurs euh, à l'université, oui, ils vont enseigner six ans et puis maintenant, dit que maintenant, tu peux aller au congé. Mais ils sont toujours là. Ils tu peux aller en congé. Ils sont professeurs là-bas, ils travaillent là-bas. Mais ils ont une année sabbatique. Va pour te rafraîchir. N'est-ce pas le pourquoi on a le jour du Seigneur on travaille six jours et le septième jour, nous adorons le Seigneur, on lit la Bible, nous nous réveillons, nous prions, et nous nous rajeunissons afin que le lundi, déjà, on est frais, rafraîchi. On était fatigué au cours de la semaine, mais maintenant, on vient ce jour. Ce n'est pas le jour de continuer de courir. Il y a des gens qui continuent de courir, courir, courir. Cela va dire, cela va vous rattraper parce que Dieu a dit, pas de repos, ils ne vont même pas dormir quand il faut dormir. Dieu exige cela. Dieu ramène ce qui est passé. C'est bon qu'on est, de nouveau, qu'on est enfant de Dieu. Mais si tu continues de boire, fumer des années, et tes cellules sont détruites, tes organes sont détruits, tout ce que tu as, même euh, la euh, ADN affecté, tout est affecté. Tu continues de faire que, que, Dieu va te pardonner, que Dieu va me pardonner. Tu continues de boire, boire. Oui, il va te pardonner. Et les dégâts que tu te fais dans le corps. Et le dégât que tu te fais dans, ton, dans le cerveau, à tes nerfs, et tout ce que tu as fait, et tout ce que tu t'es fait, le mal que tu t'es fait durant ces années, plus, plus tu te repens tôt, plus cela, soit, cela sera avantageux pour toi. Mais voyez, Dieu ramène ce qui est passé. Il y a des gens, euh, les jeunes hommes, les gens qui vont à l'école, et à l'école, à l'école, ils ne lisent pas et ils suivent euh, les, petits bandits comme moi, je me connais, j'ai un bon cerveau et lorsque l'examen s'approche, je vais lire vite et puis je vais réussir. Et puis, six ans à l'école primaire, ils sont là. Ben, euh, l'examen les, les, maintenant. Alors, ils veulent rapidement Dieu ramène ce qui est passé. De pas toute l'année, on a mené la vie d'imprudence. On dit que oui, à la fin de l'année, en décembre 35, euh, on va prendre la résolution. Cela ne travaille pas de cette manière. Parce que tout ce que tu as fait au cours de l'année devient ton habitude et on, on ne peut pas changer l'habitude comme ça. Dieu ramène ce qui est passé. Alors on doit retourner à Dieu. On lui a dit, Seigneur, nous, comprenons, ce que nous avons fait. Le passé est terrible. Nous nous sommes affaiblis. Nous nous sommes détruits. Parce que, bah, à cause de cela, euh, on ramène le passé à Dieu. Seigneur, pardonne. Dieu merci. Dieu aimable. Il va pardonner à tous. Il dit, Seigneur, renouvelle ma force, renouvelle ma vie. Dieu merci. Il a la force, la puissance. Si tu vas à Dieu au temps approprié, il va te renouveler au nom de Jésus-Christ. Romains, Romains 3, Romains 3, 23, Romains 3, 23. Car tous sont péchés, c'est le passé. Car tous sont péchés, le passé. Le passé de plusieurs est terrible. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Verset 25. Verset 25 qui dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. C'est ce que Christ est venu faire afin qu'il nous, nous réveille, qu'il nous renouvelle et que toutes les choses passées, Dieu veut pardonner. Pourquoi ne pas les amener au Seigneur les, les péchés passés, qui nous ont détruits, le Seigneur voulait les pour donner une nouvelle vie. Pourquoi ne pas venir au Seigneur Parce qu'il parce qu'il avait laissé parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant. Je prie qu'une nouvelle vie vienne à vous, qu'une nouvelle force, qu'une nouvelle énergie vous soit donnée, une nouvelle vision vous soit donnée au nom de Jésus-Christ. Et cette année ne sera pas comme l'année écoulée je dis qu'aujourd'hui ne sera pas comme trois jours passés. Quelque chose de nouveau va vous arriver. Une nouvelle vie pour vous. Une nouvelle énergie. Une nouvelle force vous sera accordée au nom de Jésus-Christ. Allons, deuxième point. Deuxième point. Le caractère des personnes choisies au sein de la pollution. Ceci est divisé en trois sections la déportation par les Chaldéens au pays de la corruption. 2. Le désespoir des corrupteurs d'induire en corruption. 3. Daniel et ses compagnons des apprenants qui ne sont pas corruptibles. Nous allons à la première session ici, la déportation par les Chaldéens au pays de la corruption. Daniel euh, chapitre 1 verset 3, Daniel 1, Daniel 1, verset 3, le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Verset 4. De jeunes garçons sans défaut corporel. De jeunes garçons sans défaut corporel le Seigneur, le Dieu du ciel, a préservé certains d'être sans défaut afin qu'ils puissent le servir. Mais cet homme, le, le, le, le chef, alors veut que ces gens préparés par Dieu, préparés pour Dieu, il veut qu'ils le servent au lieu de Dieu. de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux, de figure, doué de sagesse, d'intelligence et d'instruction. Et capable de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. les lettres et la langue des Chaldéens. Où est-ce qu'ils faisaient Ils voudraient laver leur cerveau ils voudraient laver de leur mémoire tout ce qu'ils connaissaient du Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors ils voudraient qu'ils mettent cela de côté, même ils commençaient à, leur donner donné le nom de Babylone afin que la façon dont ils soient en relation avec Dieu, il ne veut pas que cela soit en eux, il veut effacer tout ce qu'ils savaient et qu'ils maintenant suivent la corruption de, de Nebuchadnezzar et de Babylone. Mais la question est pourquoi Pourquoi cela est-il arrivé Pourquoi cela est-il arrivé Dans notre vie, lorsque nous envoyons nos enfants quelque part, nous devons penser ce que nous, voulons que nos, nos enfants apprennent. Alors, alors, nous voulons... Il ne faut pas seulement dire que éducation, éducation. Oui, c'est ce qu'ils leur ont présenté ici. Mais l'éducation seule ne suffit pas pour la vie. Il faut... Oui, notre vie n'est pas seulement le pain et le beurre. Notre vie, la vie sociale, la vie maritale aussi, la vie en famille, la vie professionnelle, notre vie, la vie spirituelle, la vie de chrétien, on doit, on tout considérer. Mais ici, ce qui Comment ceci est arrivé Qu'est-ce qu'il voudrait faire La déportation par les Chaldéens au pays de la corruption. Esaïe 39. Esaïe 39, verset 1. En ce même temps, Mérodac Baladan, vraiment un terrible nom, fils de Baladan, roi de Babylone à l'époque là, envoya une lettre et un présent à Ézéchia parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. Voilà le verset 2. Ézéchiel en eut de la joie et il montra aux envoyés le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. C'est l'origine du problème de Judas. Ézéchias était le roi. Il était malade au point de la mort et Esaïe lui a dit, donne tes ordres à ta maison, car tu mourras, tu ne vivras pas. Et il s'est tourné vers le mur et a prié, dit, Dieu, rappelle-toi comment je t'ai servi avec euh, fidélité, je ne veux pas mourir maintenant. Dieu a envoyé Esaïe, va lui dire que je vais le guérir, je lui, je lui donne 15, 15 années supplémentaires. Et c'est Ézéchiel, après la guérison, rétablissement, le roi de Babylone, à l'époque, est venu vers lui. Elle a envoyé une délégation des émissaires vers lui. Et il était très heureux que, que l'incroyant, le pécheur, a apprécié, apprécié son rétablissement. Il dit, mais il ne faut pas quitter maintenant. Je vais vous montrer tout ce que je possède, toutes les choses dans sa maison, de chambre en chambre, d'appartement en appartement. Et puis il est allé partout, il leur a montré toutes choses. Et, puis ils secouaient leur tête. Ah, c'est grand, tu es grand roi. Euh, attendez, tout et, l'autorité qu'il avait, les, ressources, tout ce qu'il avait, il leur a tout montré. Voilà le verset 3 maintenant. Esaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, Qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus vers toi Ézéchiel répondit, « ils sont venus vers moi d'un pays éloigné de Babylone. Verset 4. Esaïe dit encore, Quand ils vu dans ta maison Et Ézéchiel répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Verset 5. Alors Esaïe dit à Ézéchiel, écoute la parole de l'Éternel des armées. Verset 6. Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Verset 7. Et l'on prendra de tes fils les descendants. C'est ainsi Daniel, Sadra, Messac, Abenega, à et Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu, as, que tu auras engendré des enfants qui ne sont pas encore nés, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Que devait faire Ézéchiel en entendant cela Lorsque Isaïe lui a dit que tu mourras, donne tes, ordres à ta maison, il a crié, euh, j'ai mené une vie parfaite et je ne vais pas mourir maintenant. Dieu, Dieu l'a exaucé. Alors, lorsqu'on Esaïe lui a parlé que tout ce que tu as, tout ce que tes pères ont, tout sera emporté au thé. Qu'est-ce qu'il a dit ouais, Verset 8. Ézéchiel répondit à Esaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. D'accord. Dieu l'a dit, qui vont-tu ôter D'accord. Tous tes enfants, tes descendants, ils vont tout emporter. D'accord. D'accord. Regardez cela. Quelle prière faisons-nous Lorsqu'il s'agit de la guérison, comment prions-nous Comment réclamons-nous la promesse de Dieu Maintenant, quand Dieu dit que tout ce que tes pères ont amassé, les bonnes choses que tu as, toutes les opportunités que tu as, que tu vas tout perdre. Hein, d'accord, d'accord, d'accord. C'est Dieu, non, c'est Dieu. Tout ce qu'il veut faire, oui, d'accord, je vais bien. Tu ne vas pas bien. Il aura des conséquences. Et dit que, que d'accord, et que, que la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Caille, ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. Mon ami, tu es égoïste. Esaïe 52, Esaïe 52, Esaïe 52, Esaïe 52, Esaïe 52, verset 3. Quand ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendu. Pourquoi ne pas examiner votre vie cette année Qu'est-ce que j'ai perdu Qu'est-ce qui me fait perdre la chose là Comment je me suis vendu Comment j'ai vendu mes opportunités Comment j'ai vendu mon futur Comment j'ai vendu ma destinée telle que je ne dois pas le faire C'est ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit, examine-toi. Parce que dans le cas de Judas, la déportation au pays de corruption, c'est que ils se sont vendus pour rien. Voyons, euh, la deuxième section ici, la deuxième section ici, le désespoir des corrupteurs d'induire en corruption. Les Babyloniens étaient des gens très désespérés. Tout ce qu'ils voudraient faire, c'est de corrompre tous ces gens de Judas. Daniel 1, euh, Daniel 1, euh, verset 3. Le roi donna l'ordre à Aspenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi. Et ils ont une bonne taille, ils ont la connaissance, ils ont l'intelligence, ils ont une bonne conduite. Et de servir dans le palais du roi. Et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Verset 5. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant trois années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Et ça, c'est ça, c'est la bourse. Ils leur ont donné la bourse, tous ces jeunes hommes, ces jeunes femmes euh, qu'on a déportés de euh, Juda à Babylone. Leur alimentation est gratuite, leur euh, hébergement est gratuit, leur livre, tout, est gratuit. Ça, c'est la bourse. Mais, regardez, la bourse là, c'est pour les éloigner de Dieu. La bourse là, c'est pour qu'il ait la culture et la condition la situation et la langue et avoir l'esprit des Babyloniens, c'était très décidé. Ils voudraient les corrompre parce qu'ils ont l'argent, ils ont tous les moyens possibles. Ils utilisent l'argent et les moyens pour les corrompre. Et allons à Amos, Amos, Amos, Amos 2, verset 11. Amos 2, verset 11. J'ai suscité parmi vos fils des prophètes et parmi vos jeunes hommes des Nazaréens. N'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël dit l'Éternel. Le Seigneur a suscité leurs fils. Il veut qu'ils soient prophètes, il veut qu'ils soient des enseignants de la parole. Le Seigneur veut qu'ils soient des Nazaréens totalement consacrés, engagés au Seigneur. Et Dieu a dit, oui, c'est ainsi que je vous ai, j'ai suscité vos enfants et vos, filles et, Qu'en ils fait Voyons le verset 12 qui dit, et vous avez fait boire du vin aux Nazaréens. Même vous-même, je veux que vos enfants soient purs, soient parfaits, soient profitables à moi et au royaume de Dieu. Mais, mais vous avez donné, à, vous avez fait boire à vos enfants que je suscitais comme prophète et Nazaréen, vous les avez fait boire et ô prophète, vous avez donné cet ordre, ne prophétisez pas. Ne prophétisez pas. Je veux qu'il profite, qu'il soit mon canal pour révéler ma révélation. Mais vous dites, vous dites non, non, non, non, non, non, non. Nos enfants ne seront pas prophètes. Ils ne seront pas prédicateurs. Nos enfants ne seront pas pasteurs. Verset 13. Verset 13. Voici, je vous écraserai. Dieu a dit, je suis très déçu. Je vous écraserai je, n'ai plus de goût pour vous. Je veux que vos enfants soient bons, justes, saints, pour qu'ils me servent. Mais vous avez corrompu même vos enfants. Voici, je vous écraserai comme foule la terre, un chariot chargé de gerbes. Esaïe 1. Esaïe. Esaïe un. 4. Esaïe 1, 4. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus, même dans leur à, à, Ils ont corrompu leurs enfants avec des idées, des philosophies, avec la psychologie, la psychologie avec l'idolâtrie, avec la tradition, toutes choses mauvaises. Et ils ont emprunté des idéologies, l'idéologie des incroyants et du monde, des païens, ils ont amené cela dans leur pays et ils sont devenus des corrupteurs. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. C'est pourquoi déjà vous êtes corrompus, mais je n'espère pas cela. Mais je vais vous amener, vous cherchez la corruption, oui, vous l'aurez là-bas. Et Dieu les a amenés là-bas à Babylone. Et ces Babyloniens-là, euh, vraiment, ils sont prêts d'amener la corruption à ces gens-là pour les corrompre, pour détruire tous les enfants. Oser. Oser. 9, Oser, 9, 9, osez 9, 9. Ils sont plongés dans la corruption. Les enfants d'Israël et le peuple de Juda, ils sont plongés dans la corruption comme au jour de Gibea, l'Éternel se souvient de leur iniquité et punira leur péché. C'est la raison. Lorsque Dieu, Dieu les laisse être emportés à, à, à Babylone pour, pour qu'ils soient corrompus. Verset 17. Mon Dieu les rejettera parce qu'ils ne l'ont pas écouté parce qu'ils ne l'ont pas écouté. Croyants, enfants de Dieu, qui devait écouter Dieu lorsque Dieu a fait tout le sacrifice nécessaire pour les purifier, pour les rendre acceptables, agréables et les préparer pour la gloire. Mais au lieu de cela, Dieu a dit, mon Dieu les rejettera. Pourquoi Parce qu'ils ne l'ont pas écouté. Et ils seront errants parmi les nations. Nous allons à la troisième partie ici, troisième partie ici. Et Daniel et ses compagnons, des apprenants qui ne sont pas corruptibles. Alors, ils veulent corrompre Daniel, Sadrach, Messak et Abednego et les plonger dans le système de Babylone, qu'ils soient corrompus, qu'ils soient disqualifiés de vivre avec Dieu sur terre à disqualifié d'aller au ciel. Mais ces gens, Daniel et ses compagnons, ne sont pas corruptibles. Daniel, chapitre 1, verset 6. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Judas, Daniel, Anania, Michel et Azaria. Verset 7 dit, Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Berthatsa à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed Nego. Ils sont les compagnons, mais ils sont des compagnons en pureté, compagnons en prière, sont des compagnons en décision, détermination, compagnons en persévérance, compagnons rester avec le Seigneur, que c'est là où nous sommes. Mm. Euh, Daniel 2, euh, 17. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et intrusit, et il intrusit de cette affaire Anania, Michel et Azaria, ses compagnons. sont des compagnons, compagnons à suivre le Seigneur, compagnons à faire l'œuvre du Seigneur. Verset 18 les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Voyons chapitre 3, Daniel 3, 15. Voici Nebuchadnezzar maintenant qui les appelle. Maintenant, que j'ai érigé mon idole, si vous ne l'adorez pas, voici ce que je vous ferai. Mais rappelez-vous, Daniel et son compagnon avaient la même conviction, le même courage, le même esprit, et ils vont adorer Dieu et non l'idole. Daniel 3, verset 15. Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du salterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, c'est-à-dire la musique, la euh, musique d'idolâtrie, vous vous proténerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant. Vous serez jeté vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main 16. Et Sadrach, Messach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Nous ne sommes pas timides, anxieux, tristes de te répondre. Verset 17 Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, au roi. Et le verset 18 dit, sinon, sache, même s'il ne va pas nous délivrer, s'il veut qu'on soit brûlé, incinéré, carbonisé et de la fournaise au paradis, au ciel, d'accord. Sinon, sache au roi nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ce sont de bons compagnons. Quel compagnon as-tu Quel ami as-tu Quel associé as-tu Avec qui es-tu intime À qui parles-tu chaque jour, chaque semaine Sont des personnes qui ont la même conviction que toi, le même courage que toi, la même consécration que toi As-tu des compagnons qui vont tenir pour Dieu au, travers de, de, n'importe quelle condition mais eh sont des, des, Maintenant, Ouais, ceux qui s'assemblent se rassemblent. 1 Corinthiens 15, 33. 1 Corinthiens 15, 33. 1 Corinthiens 15, 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si vos compagnons sont mauvais, sont sués, sont des gens qui... Si tes compagnons sont des désobéissants, sont rebelles, si tes compagnons sont des gens trompeurs, alors, et, eh, tu, alors tu vas euh, embrasser leur caractère. Ne vous y trompez pas, les bonnes compagnies corrompent les bonnes mœurs. Verset 35. 34, euh, euh, revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Troisième point maintenant, le courage de conviction avec la pureté délibérée. Le courage, de, le courage de conviction avec la pureté délibérée. Nous allons nous retourner à Daniel. Daniel euh, chapitre 1. Daniel 1 nous lisons le verset 8. Daniel résolu de ne pas se souiller par les mains du roi. Le cœur, le cœur, le cœur, c'est le siège de décision. C'est le centre de décision. Ce n'est pas la tête. Ce, pas ce ne sont pas les yeux qui lisent, qui lisent. Cela ne, ne fait pas d'un homme une personne ferme, courageuse, une femme de conviction. Non, c'est lorsque la connaissance là que vous lisez, la chose là que vous avez apprise, cela passe de votre tête au cœur et votre cœur prend une décision et le centre de votre vie. Et tu dis, voici celui que je suis, un enfant de Dieu, voici comment je vais mener ma vie. Tu décides cela avant le jour de la tentation. Tu décides cela avant le jour de la corruption tu décidais cela avant que tu n'arrives au boulot, avant que tu n'arrives au marché. Si tu ne prends pas de décision sur tes genoux à la maison, si tu n'as pas la conviction avant, devant le Seigneur à la maison, et tu règles avec le Seigneur que voici tel que je vais mener ma vie, quel que soit ce que je gagne, quel que soit ce que je perds, voici ceci, voici mon style de vie, et tu auras la grâce de Dieu dans ta vie être sauvé, la grâce de Dieu qui sanctifie, alors tu règles cela et tu peux sortir. Quel ce qui se passe, déjà, la décision a, a, déjà a été prise. La conviction est déjà reçue. Déjà, le courage est au-dedans de toi. Et lorsque le défi se présente, tu seras en mesure de bâtir sur la conviction là, sur le courage là. Mais c'est dit que Daniel résolu de ne pas se souiller par les mains du roi et pas le vin dont le roi buvait. et le, les mains roi, la viande du roi et le vin, tout a été, tout, était euh, sacrifié euh, dans ce pays de corruption Babylone là. Il a décidé de ne pas prendre cela. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se suer. Il a demandé. Il y a des gens qui vont dire que d'accord, je ne vais pas faire cela. Mais je vais, je vais faire, euh, je vais, euh, je vais euh, faire un tirage. Si la personne ne m'appelle pas, je vais savoir. Je vais faire un tirage. Si la personne n'a pas envoyé un chat, je vais savoir. Non, tu vas décider. quelque que ce qu'il dit, ce qu'il fait, toi tu dis que moi, voici ma conviction. Ouais, ce n'est pas une affaire de tirage. Le, le, salut n'agit pas avec le tirage. La sanctification n'agit pas avec le tirage. Tu décides que toi, tu ne vas pas te souiller. Nous allons voir trois sessions ici. Première partie ici. Le cœur déterminé, purifié de toute souillure. Deux, le corps purifié, courageux contre la souillure notoire. Qu'est-ce qu'il n'y a pas la souillure notoire Déjà, Nebuchadnezzar, oui, reconnaît, oui, déjà, déjà reconnu l'idole, le vin, le, vin, la nourriture. Les gens qui pressent, c'est quelque chose euh, euh, reconnu. Vous l'appelez souyu, Ah, ça, c'est une souillu reconnue. Tout le monde, même tout le monde peut l'approuver. Tout le monde peut le recommander. Tout le monde peut le faire. C'est le choix. Tout le monde peut, peut, peut l'affirmer, peut le confirmer. Lui, Daniel a décidé que lui là, il ne va rien faire avec. C'était sur une toi reconnue. Trois, Le cœur persévérant, consacré sans la moindre sueur. Voyons, premier sous-terme ici, le cœur déterminé, purifié de toute sueur. Je vous l'ai déjà, déjà lu. Voyons, psaume 119. Psaume 119 verset 1. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de Dieu. Verset 2 dit, heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Verset 3 dit, verset 3, qui ne commettent point d'iniquité. L'iniquité du palais, ils ne commettent point d'iniquité l'iniquité venant du roi, et donne-leur, dites leur que c'est moi le roi, l'empereur, je, vous envoie ceci, l'iniquité venant du grand chef de l'empereur de Babylone, du roi de Babylone, qui ne commet point d'iniquité, l'iniquité venant d'un ami, l'iniquité venant d'un favori, l'iniquité venant d'un intime, quelqu'un ami intime. Non, je ne peux pas faire ceci. Ceci va nous séparer. Parce que j'ai décidé et j'avais un cœur résolu, déjà purifié de tout su et qui ne commette point d'iniquité et qui marche dans ses voies. Le verset 9 nous dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole Comment purifions nos voies Comment purifions-nous nos voies on attend la parole de Dieu, nous amenons notre, la parole au Seigneur, nous, permettons au, au, sang de Jésus de nous purifier, de nous laver. Et dès lors, nous avons un cœur résolu que nous n'allons pas nous souiller. On va à Marc, Marc chapitre 7. Nous lisons le verset 20. Verset 20, Marc 7, 20. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Pourquoi oui le, vin de Babylone suit l'homme là, la viande suit l'homme là, ce qui est sacrifié aux idoles et pour nous de manger cela, cela suit l'homme. Mais plus que cela, verset 21, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, verset 22, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard, le regard la calomnie, l'orgueil, la folie. Verset 23. Verset 23. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Notre décision, notre consécration, notre dévotion, notre consécration, c'est que aucune de ces choses ne fasse partie de notre vie parce que nous n'allons pas nous souiller. Et voyons, deuxième, euh, sous, euh, deuxième sous-thème ici, le cœur purifié, courageux contre la souillure, reconnu ou notoire. Acte chapitre, acte 15, 19, 9. Acte 15, 9. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux ayant purifié leur cœur par la foi. Nous sommes sauvés, sanctifiés par la foi. Après être sauvés, nous retournons au Seigneur qui a fait la première œuvre de grâce. Il va faire la deuxième, la deuxième œuvre de grâce. Il va purifier, nous sanctifier en ayant purifié leur cœur par la foi. Ce qu'il fait, c'est qu'il y a quelque chose dans le cœur naturellement. Il y a quelque chose dans le cœur qui est d'Adam il y a quelque chose dans le cœur qui est de la dépravation. Quoique nos, nos péchés extérieurs soient pardonnés, il y a la chose là dans le cœur qui, qui, qui va s'épancher vers la nature adamique, qui va, qui a enclin à, à qui a enclin vers ces choses euh, secrètes. Et nous comptons traduisons la grâce de Dieu, la nature de Dieu dans notre vie. Mais lorsque nous retournons à Dieu après être sauvés, lorsque nous retournons à Dieu après que nous sommes sanctifiés, nous disons, Seigneur, sanctifie-moi, purifie-moi, purifie mon corps, et cela est fait. Il nous purifie, il nous lave, et nous nettoie. Je prie qu'il le fasse pour chacun de nous. Nous allons à Ézéchiel. Ézéchiel Ézéchiel 36, euh, 25. Euh, Ézéchiel 36, 25. Je répandrai sur vous une eau pure, une eau pure, et vous serez purifiés. Cela, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est, ce n'est pas l'œuvre de Ézéchiel, c'est l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. C'est le salut. Le verset 26 dit, je vous donnerai un cœur nouveau je vous donnerai un cœur nouveau. J'ai fait le premier, je vous ai purifié de toutes vos idoles, de toutes vos sueurs, de toutes vos... Euh, de toutes vos saletés. Et après le salut maintenant, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Celui-là qui dit que pourquoi chaque fois je vais résister au péché, chaque fois chaque fois, je vais lutter contre la corruption chaque jour. Moi, je suis fatigué. Qu'est-ce qui va arriver Arriver. Je dis non, je vous donnerai un cœur nouveau. Le cœur de Pierre, là, je, ne peux plus faire cela. Moi, je vais, je vais faire ce que je veux. je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau le verset, 25, c'est le salut. Verset 27, verset 6, dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un, un, cœur de chair. Ça, c'est la sanctification. Verset 27, je mettrai mon esprit en vous. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il veut qu'on ait la force de l'Esprit de Dieu. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez, pratiquer mes lois. Je prie que la grâce de Dieu augmente dans votre vie. Que cela se multiplie dans votre vie. Cette nouvelle année, une nouvelle vie pour vous, une nouvelle direction, une nouvelle force, une nouvelle puissance au nom de Jésus-Christ. Voyons la troisième partie ici, c'est le cœur persévérant, consacré sans la moindre souillure. Daniel Sadrach, Messach, Abednego ils n'étaient pas là pour euh, un mois, une semaine. Ils étaient là dans ce collège, dans, dans cette institution. Dans, ils étaient à la formation là pendant trois ans. Et ce qu'ils ont dit au commencement, que nous n'allons pas nous suivre, pas de sueur, aucune sueur ne tuera notre bouche, aucune sueur n'entrera dans notre vie. Tous pendant les trois années, ils sont demeurés comme ça parce qu'ils avaient un cœur persévérant on s'est dit que Daniel, Sadrach, Messaka Abednego étaient amenés à Babylone à l'âge de 18 ans. Certains ont dit 20 ans, mais ils étaient là jusqu'au temps de la captivité, soit à 10 ans. Si vous ajoutez soit à 10 ans, à 18 ans ou à 20 ans, alors au temps la captivité avait pris fin, euh, Daniel était Daniel avait environ 98 à 90 ans. Il a vécu après la captivité, la captivité babylonienne, lorsque euh, la les était là, euh, euh, Cyrus était là, il était là vers 100 ans, il était toujours là, il avait le cœur persévérant, il ne va pas se corrompre, il ne va pas compromettre, il n'était pas fatigué de suivre le Seigneur tous les jours de sa vie. La même force, le Seigneur vous l'accordera. Voyons, Jérémie, Jérémie, Jérémie, Jérémie 30, Jérémie 32, 38, Jérémie 32, 38, ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Verset 39, je leur donnerai un même cœur Daniel, Sadra, Messac, Abednego, le même cœur, le même salut, le même, la même sanctification, la même euh, consécration, le même engagement au Seigneur. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours la persévérance, la permanence, la perpétuité, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bien, pour le bonheur et celui de leurs enfants après eux. 40. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Et, le cœur persévérant afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. C'est au verset 41. Je prendrai plaisir à leur faire du bien et, de les, et je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Ce qu'il a fait pour eux, il le fera pour vous au nom de Jésus-Christ. Allons à Somme 139, Somme. Somme 139, Somme 139, verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais-moi, Sonde-moi, oh Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Comme on va à, la fin de l'étude, tu vas venir au Seigneur. Seigneur, vois-moi et de moi Parce que tu veux suivre le Seigneur. Seigneur, est-ce que je suis comme Daniel, Sadrach, Meshach et Abednego? Est-ce que j'ai ce cœur résolu? Est-ce que j'ai ce cœur purifié? Est-ce que j'ai ce cœur persévérant? Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées verset 24 dit, Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ce que tu as fait pour eux, ils étaient fermes, sans corruption, sans souillure, toutes ces années. Fais-le, fais-nous cela afin que cette année, cette nouvelle année, que nous menions une vie meilleure, une vie plus élevée, une vie plus sainte, au nom de Jésus-Christ. Sonne-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et, et connais ma pensée. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Le Seigneur le fera pour vous. Priez à vous tenir debout et priez le Seigneur. Levez-vous, ouvrez la bouche, disant Seigneur, me voici. C'est ce que je désire la vie que je dois mener maintenant, voici ce que je désire. Le Seigneur le fera. Priez le Seigneur. Croyez au Seigneur. Vous avez une meilleure année cette année